<laughs> Hello guys, it's your King Titi aka Obi. Allez, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les internautes de la Cap TV. Bienvenue dans votre émission Tribune Pop, l'émission la plus exceptionnelle d'ici et d'ailleurs. Alors aujourd'hui, nous avons un grand plaisir, oui, d'être ici, Seven True, pour, pour parler en tout cas de plusieurs choses, de plusieurs choses. Et bien sûr, avec notre honorable, invité du jour, il s'appelle tout simplement Teg Teg Ça va bien, Alhamdoulilah. Sinon, les bien. les bien, Bon, xaalis bi yow lay xaar nga may ma ci. <laughs> yow lay xaar naka label bi fii Sangalkam les activités. waaw les activités ça va ñu ngi gérer hein. ah. ba affaire yi c' est un peu difficile. Mhm. mais on essaie un peu de tenir le coup. comme euh, bon comme euh, comme le travail l' exige donc on est obligé de s'y conformer c'est mieux quoi. alors ok euh, justement je sais ñu bëri Seven Truth Entertainment. Seven mm. Truth Entertainment alors est-ce que vous nga ñu wax d'abord euh, euh, Seven Truth c'est quoi année lañ ko créé. ah Seven Truth ça a été créé en mars mars 2018. Mm-hmm. et plus précisément le 3 mars 2018. Mm-hmm. mais ci boobu Nono, balaa ñu ci conformer c'était en 2019 déjà. Mm-hmm. donc ça fait presque deux ans. donc un an de conformité plus maintenant c'est c'est réellement officiel. officiel alors euh, la mission générale euh, Seven euh, La mission générale c'est juste parce que nous ñëw ci pour pour pour mhm. l'art de manière générale art. Mhm. Mhm parce qu'on sait bien que l'être humain en lui-même mon ci boppam art c'est un artiste mm-hmm, donc euh, le plus ñu avons aussi pour dire, euh, ci que ça soit du côté musique mm-hmm. que ça soit du côté vidéo clip que ça mm-hmm. soit du côté ci un côté yëpp yi nga a ne art daf ci euh, côté Mhm. Euh, Manikina avec mhm. muy ci côté. Euh, mhm. ci yenen fànn yëpp quoi donc voilà. alors euh, lan mooy seen seen domaine d'activité c'est quoi. Bah domaine d'activité, nous on est un peu parce que complexe mm, multifonctionnel parce que complexe là quoi. boo xamante ne sauf fi il y a absolument tout. donc en partant de la musique parce que tey label donc suñu label de production. Madame Sophie, fi jëlee ben artiste mhm. mën nga ko fi dugal mhm. jàngal ko lépp li war ci mhm. mu def sur le plan musical def vidéo en fi après def promotion donc euh, chaînon bi yëpp chaînon bi yëpp pratiquement du artiste soxla c'est-à-dire ku ñëw Seven Truth fii dina ko fekk quoi très bien maanaam euh, euh, nous on est spécialisé dans la musique à la fois dans la musique à la fois dans les clips vidéo comme support de musique Uh-huh. On est aussi au niveau du cinéma, uh-huh. parce que ultérieurement on doit tourner des séries et aussi des films de cinéma, que ce soit un long métrage. au fait nous aussi tamit ci côté stylisme stylisme parce que dañuy y a une confection. donc mm-hmm. vous avez vu. ñun avons plus pratiquement New York au ñun York euh, nous avons tamit ci côté mankina bi parce que suñu un stylisme à côté nous avons renforcé le renforcer donc nous euh, ngi ci mankina. bi ñu ngi aussi tamit euh, résidence résidence artistique parce qu'il y a des chambres qui sont biir complexe bi ok d'ailleurs dina ñëw ici mhm. résidence bi peut-être wala si projet bi quoi mhm. alors li pourquoi vous avez choisi le Sénégal pourquoi vous avez choisi de venir implanter ici au Sénégal parce que gis nañ Seven Trouve mhm. machallah label bu mag la certes vous envisagez peut-être que vous gën a gën a mel ni yaatu na yaañu na. Mhm. Euh, d' lan moo tax ngeen bàyyi fii leen dëkk yi surtout pays anglophone yi nga xam te ne musique mën nañ la fële gën a doxee. Mhm. ngeen ñëw fii Sénégal implanté wu fi. waaw ah, parce que avant tout on est des Sénégalais. Mhm. ay Sénégalais lañu quoi avant tout. bon yu juddoo fii màggee fii et cetera et cetera. donc lu tax Sénégal. mooy juste que ñun. en fait base bi fii la Seven Truth base bi c' est au Sénégal. c' est fait euh, c' est fait par des Sénégalais et pour le monde donc euh, waaw artistes il faut que un peu mhm. partout mhm. parce que le euh, label international c'est un peu international mhm. mais nous avons visé sax au wax Sénégal parce que nous wax West Africa waaw West Africa moom soo ko l'Afrique Afrique de l'Ouest bon il faut que nous quoi parce que léegi on ne réfléchit plus en termes de Sénégal en termes de Mali en termes de Guinée etc etc on est un peu on est un peu zonal donc loolu moo tax ñuy réfléchir à assez souvent bon Sénégal parce que avant tout les Sénégalais ils di fi pratiquement nous avons une majorité 80% des sénégalais 90% sénégalais mhm. donc voilà mais c'est fait pour tout le monde. Donc voilà. Mhm. Alors, euh, on va parler euh, de votre projet Sénégal Hit. Mhm. D'abord, euh, pourquoi le nom Sénégal Hit Sénégal Hit, parce que tout simplement, artistes ce sont des Sénégalais en premier mais, avant cela, est-ce que vous pouvez nous expliquer un, tout petit peu l'objectif ou bien le projet le projet, c'est quoi Le projet, on a pris 10 jeunes, 10 mhm. jeunes, de un peu partout au Sénégal. Mm -hmm. 10 jeunes, ils ont interné en résidence mhm. artistique, comme on le dit. 10 mhm. jeunes nous ont été en premier lieu dañ leen di euh, comment euh, développement personnel parce qu'un artiste il faut le professionnaliser wu ci côté yep, des développement personnel jàngal len en même temps euh, nu ma tudd communication wa jàngal len aussi tamit euh, niñu togué ci télé niñu mm-hmm. waxé niñu wara waxé ci radio ci radio waaw jàngal len aussi tamit euh, niñu wara niñu wara ki niñu wara gérer sen carrière manam ñi am plan de carrière mm-hmm. so déggee carrière moy carrière nationale ak plan euh, ak wa et international aussi mm-hmm. donc ñaari cadre yépp lañ len di ñaari cadre yépp lañ len di lañ len di lañ len di jàngal mais hormis cela aussi tamit dañ leen di jangal ay comportement yo xamantene mom star warrior, mhm. parce que star ce n'est pas n'importe qui mhm. star ko xamantene mhm. c'est un porteur de voix avant tout mais c'est quelqu'un aussi qui doit qui est suivi par la masse qui est suivi par la foule donc ni mu démé aussi tamit il faut que mu am mon ben posture bo xamante yor nako pour après mu meuna diriger mu meuna nek un exemple un exemple dans la dans la société en tant que tel mm-hmm. on a pris ces 10 là on les a sélectionnés mm-hmm. pour une formation de 6 jours donc 6 jours yo xamante ñom fi lañu nek 6 Mhm. ñi jàngal leen loolu yëpp ci ñoom nga xam ne suñu génnee dañuy professionnel parce que léegi ce qu'on remarque dans le showbiz mhm. c' est tout simplement da ngay gis euh, ñenn ñu duñu am staff yenn artistes yi duñu am staff wala boog xamuñu nu ñuy gérer seen carrière mhm. léegi dañ leen di jël former leen wan leen loolu première génération bi mooy en 2020 mais mais mais artistes yi ngeen di jël ñoom est-ce que ba ñuy ñëw fii dañoo amoon manager wala wala wala lan la quoi waaw am na ñu ci amoon manager am na ñu xawoon a structuré wu waaw amoon na ñoo xamante amuñu manager Amon na ñoo xamante ne dañ doon demal sen bopp kese mais mhm. dañoo am talent dañoo am talent parce que quand tu vois un artiste qui va mhm qui, a absolument toutes les potentialités mhm. chez lui mhm. donc si fait que donc ko nga def ci mom li war mhm. def ci mom, euh, ah. euh, carrément nga booster peut-être tu peux avoir beaucoup plus parce que l'artiste c'est ça ok ok en parlant justement du talent euh, si lan base basé pour sélectionner ces 10 artistes très bien critère de sélection parce que artistes dis artistes yeb dañ leen top ok Wa, dañ leen top ci carrière bon euh, mhm. assez souvent dañuy dem ci ay concerts parce que nous on est on est on est presque partout <laughs> on a aussi des attachés un peu partout que ce soit au Sénégal ou bien dans le monde on a des attachés un peu partout Mais mhm. assez souvent nous avons des informations si Si ñu des informations nous devons def suivi mhm. après top leen mais a des critères des critères yi Les artiste bi avant tout da ngay am statuts. statut statut manam nga am ben kibi, bi sa nga am fait ben posture bi am nenu no nga am aussi tamit euh, am aussi talent waaw talent après nga am tamit lenn lo mën ko ye ci yow parce que ça c'est le rôle des professionnels qui sont ici au niveau de au niveau de au niveau de comment dire, au niveau de notre structure. parce que tous les gens qui travaillent ici, que ce soit des techniciens, que ce soit des intendants, que ce soit etc etc, mhm. ce sont des gens qui sont tellement aguerris mhm. et qui sont tellement voilà et qui sont tellement engagés dans la chose. et, l'objectif du projet Sénégal, c'est quoi L'objectif général. Oui, l'objectif général, c'est de c'est de pouvoir euh, alimenter, mhm. c'est de pouvoir alimenter le cadre artistique sénégalais. Oui, c'est ça l'objectif général. Mm-hmm. Alimenter le cadre artistique général en quelque chose de positif mm-hmm parce qu'on sait bien que les artistes d'habitude euh, euh, ñu am yenn contraintes yu bari yu bari yo xamantene ne euh, day day day nek ci seen vie mhm. en société wala ci seen vie mhm. dans dans leur monde artistique mhm. donc voilà c'est ça un peu l'objectif général ok alors hormis cela aussi est-ce que artistes yi nga xamantene ñom dañoy dañoo fi ni bon bon balaa ñu ñëw ci loolu non sax d'abord est-ce que am ngeen ay collaborateurs wala wala ñan ñoo nek sen ginaaw di di di di ci ñi nga xamante ne ñoo nekk di liggéey ak Seven Truth Entertainment parce que gis nañ euh, que aussi que les artistes ñi ngi ci benn condition bi nga xamante c'est c'est en tout cas nickel donc est-ce que am na ay collaborateurs yi nga xamante ne ñoo nekk di collaborer ak yeen si le projet Sénégal Hit bon collaborateur bu ñu am c'est c'est c'est euh, bon c'est euh, le fonds de développement urbain mooy FDCU mm-hmm. Ah, parce que nous sommes un label indépendant. label mhm. c'est-à-dire que les doivent doivent signer les ressources koy donc, le euh, Fonds de développement des cultures urbaines de si euh, participer à coût de 20%. Mhm. Après, nous avons donné 80% pour la réussite de ce projet. Donc, ça va un peu nous permettre. Nous avons pratiquement nous sommes nos collaborateurs. a des des mhm. qui la presse, comme vous d'ailleurs. Pour après, nous à part, à part, à, part, nous, à part la presse aussi, amul ben ONG ou ben euh, peut-être groupe aussi pour Non, du tout, du tout. Il n'y a pas de groupe. C'est un label indépendant. On est hyper indépendant. Mhm. Donc, euh, le loolu noonu moo ñuy permettre ñun ci suñu bopp ñu mën a définir suñu politique bu ñu bëggal suñu bopp waaw parce que politique bi bu boo bëggee sa politique bopp dawal ko comme ni mu waree il va falloir que nga indépendant mais bu fekkoon ni par exemple dañuy dépendre woon ci leneen mhm. ñun toujours day am benn façon orientation boo xamante ne dañ la koy tegal mhm. ne la defeel nii defeel na la defeel na la mhm. alors que yow xam nga exactement fi nga jëm te xam nga lan yan moyen moo lay permettre pour nga dem fa mais quand même soxla nañu aussi tamit ay partenaires ce n'est pas à exclure mais quand même suñu ñëwee ñu dugg si suñu projet après on va travailler ensemble parce que les gens ñu tax a jóg. ok je donc voilà. ok je vois euh, alors le résultat attendu Le les résultats attendus c'est de pouvoir former 10 jeunes pour la première génération. Mm-hmm. et que ces 10 jeunes là. Mm-hmm. puissent comprendre les réalités du métier. Mm-hmm. parce que c'est le showbiz. il faut que nous xam ci li ngay dugg lan la. parce que musique. c'est na que xamante ne tey ay jeunes yu bëri bëgg nañ ko waaye xamuñu nan fan la jaar ban pour après nga avons très bien da ngay gis des fois ben musicien bu am talent. Mhm. am talent à 100%. mais du yegg fu mu jëm. Mhm. nga gis kenen ko xamantene peut-être ne fay am cadre bu normal cadre bu cadre bu ko permettre après mu mun a yegg fi mu jëm sans pour autant mu bon je ne dirais pas mu ñàkk am talent mais li def peut-être mhm. du conforme parce que artiste pas am talent hein mais peut-être limuy def su conforme wul ak li nga xamantene lolu loolu la ñi bëgg bon assez souvent muy am friction bobu non, mais ñun c'est tout juste pour pouvoir prendre ces dix ces dix jeunes artistes là Mhm. et puis on y yobou jusqu'au bout et après day am suivi ce n'est pas seulement six jours de formation mhm. mais ils ont accompagné pendant six mois mhm. les six premiers mois aussi définir nañu politique même en un an on sait exactement ce qu'on doit faire avec ces dix jeunes là voilà dix jeunes. bàyyi rek mais former après suivi parce que comme que nous commencé pour 2021 aussi on est essayé de voir aussi comment on va pouvoir faire pour un peu anticiper sur les choses mais pour l'instant, on est très concentré sur la chose pour 2020. <laughs> ok, nice. Est-ce que Khalaï, je les artistes, mhm. euh, est-ce que dina à part formation est-ce que des poste? peut-être parce que 10 mm. Oui, oui, oui. Là aussi, là aussi euh, j'aimerais bien que nous nous nous aussi parce que uh-huh. Nous li ñu leen defal nii. en mhm. fait formation bi moi pour solo. parce que li normalement. Mhm. si naroon nga dem fay développement personnel. Mhm. da ngay fay. bien sûr soo naroon def shooting. da Si fay. aura naroon double studio pour enregistrer pendant toute une journée da ngay fay. bien sûr aura naroon def clip. da ngay fay. Ni déplacer la aussi c'est pareil. c'est-à-dire que nous, nous jël suñu xaalis sax soo investir sur nous donc nous avons investir si nous aussi tamit parce qu'on a vu quelque chose il faut que nous dimbali il faut que les ces gosses là mm-hmm. donc nous aussi tamit dina leen permettre suñu demee ba tollu fenn parce que ñun aussi tamit euh, avec l'expérience qu'on a dans le milieu à peu près 30 ans d'expérience dans le milieu donc mon permettre nous, permettre mm-hmm. ñu voilà c'est 30 ans ou bien 35 ans d'expérience. donc permettre nos ko mu mën def génération ils vont essayer de faire la même chose parce qu'a fait ay malgré que amuñu cadre et puis voilà nous tamit suñu ñëwee ñu dimbal mais on s'était pas arrangé à ce que nous mais ah. de toute façon mm-hmm. de toute façon mm-hmm bu fekkee xëj na si li ñuy def seen bopp yaakaar naa moom moo leen di permettre après loolu noonu ñu mën a def dara ci seen exactement parce que jox nit xaalis mu dem mhm. lijjanti ay mbiram mieux vaut nga def dara ci bopp bi ba mu xam moom su jógee nan la war a mën a def pour am lu muy def ci poche yi donc euh, voilà c' est un peu dans ce cadre alors merci beaucoup Teuk merci à toi par contre aussi am na question wala loo bëggoon wax tey laaj ñu la ko aussi bon anyway ah, mën nga ko wax voilà di remercier di remercier euh, Mojo Elage le PDG, mhm. hein, qui a tout fait. Qui a absolument tout fait pour que réussite bi ni mhm. Donc euh, avec équipe équipe bi nga xamantene équipe bi nga xamantene dans l'ombre. Mhm. Parce que euh, vous les avez vus, gis nga len. Ah ñom ñi ngi liguey matin, midi et soir pour après ils yi am ben boy posture bi ci affaire Bon, juste que dañuy bëgg remercier toute la population de du Sénégal en commençant par la population de Sangalkam. Mm et dans les environs aussi. Mhm. du di wax waa Sénégal ni mhm. am un ben label bu bees bu label international West mhm. Africa. donc label est yenn fi pour les artistes et pour l'ensemble des gens qui sont dans l'art. ñëw leen ñu liggéey ñëw leen ñu ñu après on va essayer d'aller de l'avant parce qu'on a besoin de ça. voilà. alors merci beaucoup Teuk. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. <laughs> Mhm, merci bien. Alors, merci également à tous les internautes, bien sûr, de la Top TV. C'était bien sûr votre émission Tribune Pop. Merci également à Pape Gueye, B. a maintenant trop, trop, y compris aussi Diop. Machala, Ligue bi Metina comme toujours. Allez, on se, on donne rendez-vous prochainement avec un autre invité, Djadjef. <laughs> We are West Africa. Yeah, man. Yeah, right. wala boog dox du essence bul ma tëkkaleeg fi benn rapport man damay fay MC si tàkk jarul ngay woo sapeur ñëw ma pour kenn ragal ma mais maa jël si seen fit man ñoom du benn leeraayu naaj nekkul torche bii nit bra wala boog it's your boy Bib the master from Dakar from Yeumbeul from Sénégal bon en ce moment dama book si ñi nga xamante ni si di artistes yi ñu si projet euh, Sénégal it bu Seven Truth en ce moment ñu ngi si job bi ñu ngi siy liggéey bu baax a baax et on vous promet du lourd bang check ba may xosu yaa biiri show tempo tempo maa la ëpp gën la tàng gën la bëri flow yow amuloo niveau te dëngaloo wow isho boy Wizgo Shakur artiste rappeur compositeur lyriciste from Sangalkam représente Galsen yaa gën a xam aujourd'hui je fais partie des dix artistes dans le projet Sénégal Hits yaa gën a nëw recherche coché on promet du lourd sœur xana sutura bi fi ñoom mam bàyyi woon ci ko yu rafet yi ñu bañu woon dafa mel ni dañu bàyyi suñu yoon bëgg askan loolu ñu moomu toon salaamaaleykum maa ngi tudd Abdoulaye Ndiaye dëkk Bambilor sama turu artiste ñu gën ko xam ci Laya ma bokk ci dix personnes yi ñu sélectionné ci résidence Sénégal Hit 2020 di leen jox gars yi di daje du yàgg dara ñu ngi waaj lu garaaw ak waa Seven Truth ça va être respect I will never let you go, mother, because you are my solution. Bonjour tout le monde, c'est Anisha. Mon vrai nom c'est Anna Bassen. Je viens des Parcelles Asseni. Je fais partie des 10 personnes sélectionnées dans la résidence euh, Sénégal Hit 2020. Je ngi waajal lu toj wéet leen ko. Yeah, man la Medoune Cissé, hip hop bi dama si 6D. Man Je bi ko je tax kenn du diriger fixer dama fu ma jaar gars yi teg ni dama leen di dosé way salaamaaleykum tout le monde maa ngi tudd Medoune Cissé mon nom d'artiste Big Boy la Boy Thia international artiste rappeur maa ngi dëkk Thiaroye sur Mer donc bokk si dix artistes yu sélectionné si résidence Sénégal it gang gang c'est true entertainment xam man xam naa ni ndekete njaboot Salut les gars, je m'appelle Abdelaziz Gay, mon nom d'artiste c'est Abdaz, chanteur et compositeur. Je suis natif de la région de Durbel mais je réside à Dakar. Je fais partie des artistes sélectionnés pour le programme Sénégal Hit 2020. On vous demande de rester connectés parce qu'on prépare du lourd pour vous. Big up. You said you do it, promise to me good. So far not is not it. You came to see me, it's not what we need. Too late, too late. I need to help us, what can I say now? Not it, Not it. Nengo if ma di la xaar degg Mawati Yirman lekk na lu Assalamualaikum, uh, Senegal. waa Sénégal maa ngi tudd Alioune dëkk Thiès Dek benn dëkk ñaari gaar maa ngi it ben projet bu bees la ñu ngi leen préparer lu bere bëre bëre bëre merci habul ma hakelo kalise hola tutta salam uh, man la mais mon nom d'artiste c'est Fefa Mangi Djogebe Pekin Ecotaf et je suis là pour le programme euh, Résidence Sénégal 2020. di vous wax que nous euh, ñu ngi préparé lu ngandee c'est du jamais vu Nous ñu ngi que nous connecté sur toutes les plateformes de Seven Truth que Inch'Allah, allons di ngeen en temps réel bul ma seel bul ma gis ma di rey nga foog ni man xam li nekk ci sama suuf ak si ginnaaw bëgg ma ku ma xool dal di ne yow li nekk si yow moo ne si man li nekk si yow mooy di leen jàppale hi everyone c'est Aïssatou ñu gën ma xamee ci Satou maa ngi jóge ba Thiaroye Géej bokk ci artistes yi ñu sélectionné fii eh, Sénégal Hit 2020 di leen wax ngeen xaar lu rëy rëy rëy incha allah sur 7 Truth merci beaucoup. yow welcome 7 Truth dañoo entre sama ruu wante maa ngi dund ci kaw asamaan ak koor. Je m'appelle Diabé Traoré, et Black Jordan. Je fais partie des 10 artistes sélectionnés dans la résidence Sénégal Hits. Merci.